Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans le forum du studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui s'intitule Avancées et obstacles au droit à l'éducation des enfants handicapés au Niger. Quelles sont les avancées significatives de l'accomplissement du droit à l'éducation des enfants handicapés au Niger Quels sont les principaux obstacles qui freinent l'application des textes relatifs au droit à l'éducation de ces enfants Telles sont entre autres questions auxquelles ce forum apportera des réponses. Et pour y répondre justement, nous avons invité quelques acteurs clés du domaine il s'agit de Mohamedou Oumarou, coordinateur de l'ONG Mournayara. Mohamedou, bonsoir. Bonsoir. Sido Nuhu Oumarou, président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Monsieur Sido, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et Madame Abdoulaye Mariama, responsable de la division éducation inclusive à la direction de l'enseignement du cycle primaire classique. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. À la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, bonsoir. C'est avec euh, grand plaisir que je vous présente ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou qui traite des avancées et obstacles au droit à l'éducation des enfants handicapés au Niger. Comme vous le savez, l'accès à l'éducation est un droit primordial pour tout enfant en âge d'aller à l'école sans distinction aucune. Ce droit est consacré par des instruments juridiques nationaux et internationaux allant de la Constitution de la 7e République du Niger à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Convention relative aux droits des enfants, entre autres. Le droit à l'éducation est garanti par ces textes à tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap qui constituent une couche doublement vulnérable. C'est de l'éducation de cette couche vulnérable dont il est question aujourd'hui, ainsi que les conditions d'accès. Sans plus tarder, je vous donne la parole pour que chacun se présente et parle euh, sommairement de ce que sa structure fait, ses missions principales. Euh, je commence par vous, euh, président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, Sidonou Humor. Bonsoir monsieur et merci pour cette invitation Bonsoir à tous les auditeurs. La Fédération nigérienne des personnes handicapées, reconnue officiellement en 1998, et comprend 21 organisations spécifiquement relatives euh, en lien avec le sujet. Nous faisons euh, du plaidoyer et du renforcement des capacités. Euh, le plaidoyer est essentiellement basé sur l'article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui impose aux États partis de prendre toutes les dispositions afin que tous les enfants, quel que soit leur type de handicap, parviennent à aller à l'école. Mmh et à bénéficier sur un même pied d'égalité que les autres enfants au soutien nécessaire pour euh, accéder à ce droit. Et aussi, euh, maintenant, depuis 2015, basé sur euh, l'objectif 4 de l'agenda 2030, qui comporte deux cibles en lien avec l'éducation des enfants handicapés. Nous faisons du renforcement des capacités, ça veut dire euh, on montre clairement comment ça doit être l'éducation des enfants handicapés. Et souvent, on, on présente aussi des cas à succès, tels que nous l'avons fait dernièrement euh, lors de la Journée nationale des personnes handicapées, où nous avons fait intervenir une fille euh, handicapée intellectuelle qui a parlé de comment elle a pu accéder au savoir grâce au soutien de sa maman. Bien. Euh, madame Abdoulaye Mariama, je le disais, vous êtes responsable de la division éducation inclusive au niveau de la direction de l'enseignement du cycle primaire classique. Au niveau de la division de l'enseignement du cycle, de l'enseignement spécialisée ou bien de l'éducation inclusive mm. qui est attachée à la direction de l'enseignement du cycle primaire classique. Euh, nous élaborons toutes les stratégies, les programmes et nous mettons en œuvre aussi les actions pour la promotion de la scolarisation des enfants handicapés. Tout ce qui est formation, renforcement des capacités, création de structures d'accueil des enfants handicapés, c'est à la charge de la division de l'éducation inclusive. Et euh, Mohamedou Marou, je le disais, coordinateur de l'ONG Mournayara. Merci Alassane, en tout cas, pour euh, nous avoir invités sur ce plateau. L'ONG Mounayara est une euh, organisation de parrainage des enfants handicapés. Elle œuvre essentiellement dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de la santé. Donc euh, c'est une organisation qui a été créée en 2005. Elle intervient actuellement dans cinq régions. Il y a Tawa, Dosso, Maradi, Tilaberi et Niamey. Nos cibles, c'est les enfants handicapés, particulièrement les enfants handicapés orphelins. Lorsqu'il nous arrive, en tout cas, de faire des enquêtes sociales pour pouvoir euh, apporter des appuis, nous nous penchons plus vers les enfants handicapés qui sont en même temps orphelins. Mais euh, nous faisons beaucoup de choses c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation. On appuie la scolarisation des enfants et on fait des dotations en matériel euh, didactique spécialisé. Et les enfants qui ont besoin de chirurgie ou d'intervention, on les amène à l'hôpital pour aussi faire la chirurgie et même les doter en prothèses et en fauteuil roulant et autres aides techniques que vous connaissez et pour leur permettre d'être un peu autonomes et pouvoir aller à l'école. Voilà. Madame Madame Abdoulaye Mariama, de la division euh, éducation inclusive, euh, quels sont les engagements de l'État du Niger dans l'accomplissement du droit justement à l'éducation des enfants en situation de handicap le Niger a signé plusieurs conventions et chartes euh, au niveau international et a pris certaines dispositions pour la mise en application de toutes ces conventions, chartes, lois que le Niger a signé par rapport à la scolarisation de tous les enfants et en particulier les enfants handicapés. Donc, euh, par rapport à tous ces engagements, le, ministère de l'enseignement primaire a pris un certain nombre de dispositions pour la scolarisation des, enfants handicapés, Il a commencé avec euh, la création des écoles spécialisées qui prennent en charge les enfants déficients auditifs et visuels. Ensuite, euh, en 2000, en application avec euh, les dispositions prises à la rencontre du Dakar, le Niger a commencé à ouvrir des classes euh, intégratrices c'est-à-dire des classes qui sont ouvertes au niveau des écoles ordinaires pour prendre en charge un seul type de handicap pendant un certain nombre d'années du CI au CE1. E Ensuite, au niveau du CE2, ils sont inclus et ils continuent avec les autres pour euh, le respect de leurs droits, pour euh, atteindre aussi cette euh, discrimination que vivent les enfants handicapés. Dans un, dans un objectif alors de, de, socialisation. De socialisation mm. avec les autres, mm. puisque puisqu'ils sont dans la même cour avec les enfants non mm. handicapés ils vont à l'école ensemble et reviennent ensemble. Donc déjà, on commence à diminuer un peu la discrimination. Et ensuite, à partir de 2006, le ministère de l'enseignement primaire a signé une convention avec euh, un de ses partenaires, à l'occurrence Handicap euh, International, qui est devenu maintenant Humanité et Inclusion. Et là, nous avons commencé à expérimenter l'éducation inclusive au niveau de cinq communes de Niamey. Et à l'heure où je vous parle, l'éducation inclusive au niveau du Niamey est devenue presque une réalité puisque au niveau de toutes les communes, nous prenons en charge les enfants handicapés. Ils sont inscrits au niveau des écoles de leur quartier à côté de leur famille. Oui, on sait qu'il y a une petite nuance entre l'intégratrice et l'éducation inclusive dont vous parlez. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire cette nuance pour l'éducation inclusive Pour l'éducation, pour l'inclusion, c'est les enfants sont recrutés au CI avec euh, les enfants non handicapés. Hum. Donc là, c'est l'école qui doit se préparer à accueillir les enfants. Alors qu'au niveau de l'éducation intégratrice, les enfants sont recrutés dans une classe à part, mais au sein d'une école primaire ordinaire. Et, on les prépare pendant quatre ans, la première année, ils font l'année préparatoire. Donc, ils sont préparés en braille ou bien en langue des signes selon le handicap. Maintenant, à partir de la deuxième année, ils font le CI, seul dans leur classe, mais dans la même cour que les enfants non handicapés. Ils font le CP, le C1, seul. Et à partir du CE2, ils sont intégrés et ils continuent avec les autres. Pendant que pour euh, l'éducation inclusive, c'est dès au départ, ils sont recrutés avec les enfants non handicapés et ils commencent l'école ensemble. Puisque nous en sommes, est-ce que l'État du Niger a un choix entre ces, deux types d'intégration, euh, notamment euh, l'éducation inclusive ou l'éducation spécialisée Dans la stratégie de l'éducation des enfants handicapés que nous avons élaborée au niveau de la division, nous avons retenu les trois approches, c'est-à-dire l'approche spécialisée, l'approche intégratrice et l'approche euh, inclusive. Pourquoi Parce que jusqu'à ce jour, les écoles spécialisées continuent de recevoir les enfants handicapés. Parce qu'il y a certains types de handicaps qu'on ne peut pas euh, inclure directement. Donc, il faut euh, les accueillir dans les écoles spécialisées. Hmm. Les classes intégratrices aussi nous les avons retenus puisque nous continuons jusqu'à ce jour à ouvrir les classes intégratrices. En 2000, les premières classes ont été ouvertes, C'était elles étaient au, au, nombre de 5. Du 2000 à ce jour, nous avons ouvert 50 classes intégratrices, donc 50 classes qui accueillent les enfants handicapés et les préparent à l'inclusion. Et pour ce qui est de l'inclusion Pour l'inclusion qui a commencé en 2006 avec 10 euh, écoles pour l'expérimentation. Nous sommes à ce jour à 129 euh, écoles hmm. inclusives. Oui. Et pour l'éducation spécialisée L'éducation spécialisée, il n'y a que quatre écoles, les hmm. quatre premières écoles. Hmm. L'école Soula Soule Abdraman qui accueille les jeunes euh, aveugles, l'école euh, pour sourds, l'école Assambanaba du Niamey, l'école pour sourds du Zender et l'école pour sourds du Maradi. Nous donnons la parole à nos autres invités notamment le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, Sido Nuhu On sait que, euh, en tout cas, il y a un, certain nombre d'arsenals juridiques euh, auxquels le Niger a souscrit, des textes nationaux et internationaux. Est-ce que vous pouvez nous en citer euh, plus et les principaux articles qui font une obligation de cette éducation des enfants handicapés. Bon. Euh, pour aller dans la programmation, c'est-à-dire euh, l'agenda 2030, quand vous voyez le titre même de l'objectif 4, assurer une éducation inclusive de qualité pour tous. Déjà que le titre de l'objectif est clair, il s'agit là de l'éducation de, inclusive de qualité pour tous. Et dans l'objectif 4, euh, vous avez deux cibles qui citent nommément les, les personnes handicapées. Vous avez, avant la convention, il y a la convention relative aux droits des enfants aussi qui, je pense à son article 23, euh, cite également les enfants handicapés. Et vous avez, par rapport euh, au texte euh, africain, vous avez le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées, en son article 16, qui aussi demande aux États partis d'assurer l'éducation pour tous, en particulier pour les, les, enfants handicapés. Vous avez, au niveau national, à commencer par la mère des lois, la Constitution de, de la République, qui, en son article 22, dit clairement que l'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, des jeunes et des, personnes handicapées. Mm. Vous avez également l'article 26 qui parle de l'État à l'égalité des chances des personnes handicapées, spécifiquement pour les personnes handicapées. Et dans l'article 100, on parle de l'insertion sociale des personnes handicapées. Mm. Donc trois articles qui font comment référence aux, droits de manière globale de tous les citoyens, donc y compris les, citoyens handicapés. Et maintenant, vous avez l'ordonnance 93-012 qui comporte 11 articles relatifs à l'éducation des enfants handicapés. Euh, vous avez le décret 2010-637 euh, qui a un chapitre entier aussi par rapport à l'éducation. En fait, je peux dire que par rapport aux, dispositions, réglementaires. réglementaires vraiment, beaucoup d'avancées à noter. Maintenant, dans la pratique, beaucoup de choses à faire pour euh, rendre l'éducation inclusive pour tous. Alors, par rapport à ces trois approches, sur lesquels l'État met l'accent, l'approche euh, intégration, l'approche inclusion et ou l'approche spécialisée, laquelle des approches vous pensez être la meilleure pour l'éducation de ces enfants pour euh, la Fédération des jeunes des personnes handicapées et pour les personnes handicapées de manière globale, l'option est vraiment tournée vers l'éducation inclusive. Parce que déjà dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, article 24, on parle de l'éducation inclusive. Dans l'objectif 4 euh, de l'agenda 2030, on parle également de l'éducation inclusive. Et dans le, protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées, on parle également de l'éducation inclusive. Donc la communauté internationale a fait un choix, c'est d'aller vers une éducation inclusive de qualité pour tous pas pour les enfants handicapés seulement, parce que généralement, c'est que les, beaucoup de personnes ignorent, c'est que l'éducation inclusive ne prend pas en compte seulement les enfants handicapés, mais l'éducation de tous les enfants qui sont dans des situations vulnérables, par exemple les enfants de la rue, par exemple euh, les enfants nomades, etc. Donc l'éducation inclusive, en fait, c'est vraiment une éducation qui est adaptée pour euh, prendre en compte les besoins de tout le monde, de tous les enfants, y compris les enfants handicapés. Donc l'idée de l'éducation inclusive, là où l'éducation inclusive prime sur tous les autres types de handicap, c'est que les enfants euh, dès le premier jour qu'ils arrivent à l'école, ils arrivent ensemble. Et les enfants ont, comment l'occasion d'apprendre ensemble, de grandir ensemble, de connaître aussi la différence ensemble. Mm. Euh, et cette différence permet aux enfants d'ignorer carrément la barrière qui existe entre nous autres. Mm. Mm. Euh, généralement, qu'est-ce que nous disons, nous, en tant que personnes handicapées Ton regard, c'est mon handicap. Et si on grandit ensemble, il n'y aura plus ce regard-là. On a grandi ensemble, regard disparaît. Et le, handicap devient euh, minime ou disparaît carrément. Bien. Merci. Et Mamadou Oumarou Mournayara, coordinateur de l'ONG Mournayara, au niveau de votre ONG, sur quoi vous mettez l'accent En tout cas, l'ONG Mounayara, euh, nous, nous avons constaté, comme l'a dit euh, mes prédécesseurs, mm. il y a beaucoup de textes qui ont été adoptés par le Niger, et, mais en dépit d'un large engagement à vouloir garantir le droit de l'éducation aux enfants handicapés, on constate que beaucoup reste à faire. Mm. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'amener notre contribution eh, pour apporter un peu de solution à certaines choses. C'est vrai, aujourd'hui, avec beaucoup de sensibilisation que eh, la fédération et les organisations membres de la fédération comme l'ONG Monaire sont en train de faire, et eh, l'État du Niger a commencé à apporter des solutions telles que l'achat des matériels auparavant, et c'est les associations qui faisaient la dotation en matériel. Mais aujourd'hui, l'État commence eh, à apporter aussi eh, sa contribution dans l'achat des matériels. Et, eh, mais je disais que beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire parce que aujourd'hui, l'éducation inclusive, même qu'on est en train de pratiquer ici au Niger, c'est une éducation inclusive qui a besoin d'être réparée. Parce que et le, principe sur lequel l'éducation inclusive est fondée, et ici au Niger, il y a beaucoup de manquements. Mm. Et par exemple, les équipes pluridisciplinaires, vous allez voir d'abord les écoles qui reçoivent, qui reçoivent ces enfants-là ne sont pas accessibles. Il n'y a pas les équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire c'est des, des personnes qui sont bien formées, qui sont bien qualifiées pour soutenir les enseignants c'est-à-dire que les psychologues, les éducateurs, et ainsi de suite, et beaucoup de spécialistes qui doivent accompagner l'éducation de ces enfants-là ne sont pas disponibles. Donc, parce que c'est pourquoi mhm. nous, nous pensons que euh, l'État doit fournir beaucoup plus d'efforts. Est-ce qu'au niveau de l'ONG Mournayara, vous mettez à la disposition de, certaines écoles ou de, certains élèves euh, des personnes justement qualifiées pour les accompagner euh, au niveau de l'apprentissage Et nous, l'ONG Mounayar, on ne met pas des, agents ou du personnel euh, euh, à la disposition des écoles, mais mm. ce que nous faisons, mm. c'est le renforcement de capacités. C'est-à-dire, avec certains de nos partenaires, mm. comme Imante Inclusion, nous faisons la, la, la, formation sensibilisation des parents et en guidance parentale nous faisons aussi la formation des, CGDS, des conseillers pédagogiques, mm. des, enseignants. Mm. Et en tout cas, le, personnel qui intervient, et nous essayons de les sensibiliser sur l'éducation inclusive. Parce que tout à l'heure, la question que vous avez posée euh, pour dire que quel est le choix, par exemple, de la fédération ou des personnes handicapées, oui, l'éducation inclusive, c'est un idéal c'est un idéal vers lequel on doit tendre. C'est-à-dire, euh, l'éducation spécialisée, l'éducation intégratrice doivent concourir à l'éducation inclusive qui est un idéal. Mm. Est-ce que vous voyez mm. C'est-à-dire, euh, euh, quand on fait l'éducation intégratrice, vous avez vu tout à l'heure quand Madame a expliqué, mm. elle dit que ça prépare l'enfant à l'inclusion. À partir du CE2, l'enfant est inclus. Inclus. Voilà. Donc, ce n'est pas que euh, l'éducation spécialisée ou l'éducation intégratrice euh, constitue euh, quelque chose de, de, de, mal ou de différent, de très différent. Non, ils doivent compléter, ils doivent concourir à, aller vers l'éducation inclusive. Parlons des avancées significatives, en tout cas dans ces domaines. je commence par vous, Madame Abdoulaye Mariama, responsable division euh, éducation inclusive, quelles sont aujourd'hui les avancées significatives dans l'accomplissement du droit à l'éducation des enfants en situation de handicap au Niger Beaucoup de choses ont été faites euh, en ce sens pour euh, rendre l'éducation des enfants handicapés une réalité. Le programme sectoriel de l'éducation et de la formation PCF e a pris en compte l'éducation inclusive. Et pour ce qui est toujours de l'éducation inclusive, ça, c'est la démarche de l'inclusion est très exigeante. Mes prédécesseurs ont parlé de ça. Et pour euh, mettre en œuvre cette éducation inclusive, le ministère de l'enseignement primaire est en train de prendre un certain nombre de dispositions qui vont accompagner l'inclusion, qui vont accompagner l'éducation des enfants handicapés. Donc, euh, dans ces dispositions-là, il y a un dispositif d'inclusion scolaire qui est mis en place, qui est composé de sept phases. Et les sept phases-là, leur mise en application accompagne vraiment l'éducation inclusive. La première phase, c'est l'identification. Il faut d'abord chercher où se trouvent les enfants handicapés, les recenser. Après le recensement, il faut faire un diagnostic médico-social pour euh, déterminer le type de handicap Ensuite, il y a une commission d'orientation qui est mise en place, qui est composée d'éducateurs spécialisés, qui, en fonction du résultat du diagnostic euh, médico-social, vont se charger d'orienter l'enfant. Pourquoi orienter l'enfant Puisque, Mohamed vient de le dire, l'éducation spécialisée et l'éducation intégratrice, c'est euh, une préparation à l'inclusion. Et actuellement, au niveau de l'école à Abdraman, les enfants qui sont eh, à, l'internat, au niveau de cette école-là, ils ne finissent pas leur cycle primaire au niveau de l'école Souli. À partir d'un certain niveau, à partir du CE2, ils sont inclus dans les écoles qui sont aux alentours de l'école à Abdraman. Donc, ils vont là-bas, ils prennent leurs cours et ils reviennent à l'école Souli. Donc déjà, l'enseignement spécialisé même prépare à l'inclusion. Mm. L'éducation intégratrice, c'est la même chose, ça prépare à l'inclusion. À partir du CE2, les enfants sont inclus et ils continuent avec les autres. Alors continuez avec les euh, phases Les phases, je reviens sur les phases. Après l'orientation, mm. il y a la formation. Il faut former les enseignants à la prise en charge des enfants handicapés. Ceux qui vont prendre les enfants déficients visuels seront formés en braille ceux qui vont prendre les enfants déficients auditifs seront formés à langue de signe. Il faut former les parents aussi, les parents des enfants, à mobilité orientation pour ceux qui ont des enfants déficients visuels. Il faut former les parents en compétences de vie courante. Il faut former les parents des enfants déficients auditifs à langue de signe locale pour qu'ils puissent communiquer avec euh, leurs enfants. Donc, au niveau de la formation, le ministère a pris un certain nombre de dispositions aussi en introduisant le module éducation inclusive dans le programme de formation des, écoles normales. Donc, dorénavant, tous les, élèves, maîtres. Tous les élèves maîtres qui vont sortir de l'école normale vont sortir avec euh, un certain rudiment de prise en charge pour les, enfants handicapés. Donc là, c'est vraiment une avancée significative. C'est déjà en œuvre, oui. Depuis quelle année Depuis 2013, ça a mhm. commencé en 2013. Mhm. Actuellement, au niveau de toutes les 11 écoles normales, l'éducation inclusive est enseignée et au niveau de trois ENI en expérimentation, l'enseignement du braille et de la langue des signes sont introduits aussi dans le programme. Donc, euh, je continue avec les phases. Avec, euh, après la formation, il y a le suivi il faut faire le suivi au niveau des écoles pour voir les difficultés que rencontrent les enfants handicapés, les difficultés que rencontrent leurs enseignants aussi dans la prise en charge de ces enfants-là. Et il faut faire le suivi familial aussi pour voir au niveau des familles quelles sont les difficultés que rencontrent les enfants handicapés. Après le suivi, il y a la mise en accessibilité des écoles, les rampes d'accès au niveau des classes, les tableaux qui sont descendus à un certain niveau pour permettre à un enfant qui marche à quatre pattes même de pouvoir écrire au, tableau et les, les tables bancs qui doivent être adaptées aussi mm. à la situation des enfants, les estrades qui sont à supprimer pour euh, qu'il n'y ait pas d'obstacle pour un enfant handicapé qui va au tableau. Mm. Et il y a aussi le matériel didactique spécial qu'il faut mettre à la disposition des écoles. Et dans ce sens-là, l'État est en train de faire un grand effort puisque depuis un certain nombre d'années, de la même façon que les cahiers, les bics et les ardoises sont commandés pour les enfants non handicapés. Tout le matériel didactique spécifique des enfants handicapés aussi est commandé par le ministère et mis à la disposition des écoles qui accueillent tous ces enfants-là. Alors, je voudrais vous poser une question sur la première euh, phase sinon, euh, de, de, cette stratégie, notamment l'identification des enfants handicapés avant même de les inclure dans le processus. Est-ce que euh, réellement cette identification facile. Au niveau de cette phase, nous, on fait deux sortes d'identification. Mm. Il y a l'identification des enfants handicapés scolarisés qui sont déjà au niveau des écoles. Et pour faire cette identification-là, c'est la fiche du recensement au niveau des écoles qui est en train d'être rendue inclusive, puisque c'est sur cette fiche-là qu'il faut prendre en compte le recensement de tous ces enfants handicapés Donc, deux identifications, euh, les enfants qui sont déjà en situation d'handicap scolarisés et ceux qui, ne sont qui pas, ne sont pas scolarisés, qui sont recensés aussi au niveau des communes, avec, en collaboration avec les communes mm. et la fédération. Donc, nous faisons l'identification au niveau des, communes pour euh, pouvoir euh, inscrire ces enfants-là à l'école. Est-ce qu'il y a un, dispositif permettant aux parents de ces, de ces enfants de pouvoir eux-mêmes aller vers les structures pour déclarer et eh oui, et avant de commencer l'identification, j'avais oublié de vous parler de la phase sensibilisation dans les phase phases-là. Mm. Donc, euh, on fait d'abord de la sensibilisation, une sensibilisation au niveau des quartiers pour dire aux familles que de ne pas cacher les enfants handicapés, de les sortir. Et que voilà pour euh, raison pour laquelle ils sont identifiés, c'est pour les inscrire à l'école. Et cette euh, identification-là, c'est les enfants de la tranche d'âge de 3 à 12 ans. Puisqu'il y a une lettre de dérogation d'âge que le ministère de l'enseignement primaire a signée qui dit qu'on peut recruter un enfant handicapé à l'école aussi jusqu'à l'âge de 12 ans. nous, est-ce que quelles sont les, autres avancées aujourd'hui qu'on peut saluer dans ce domaine Je pense que les a <laughs> c'est très. Je pense que la, évoqué en tout cas les, les, avancées, mm. c'est les instruments juridiques, c'est également euh, l'achat de matériel mm. euh, qui auparavant est fait essentiellement par les partenaires. Mm. Aujourd'hui, en tout cas depuis 5 euh, cinq ans maintenant, l'État a investi des ressources pour l'achat de ces matériels-là. Je pense que en tout cas c'est ces avancées-là qu'on peut mm. qu'on peut évoquer Quel dans de l'éducation. Quel commentaire sur le processus qu'elle vient de d'expliquer? De, l'identification jusqu'à la scolarisation de ces, de ces enfants. Effectivement, ça pose problème parce que tout dépend de, la région dans laquelle vous êtes pour euh, l'identification des enfants handicapés. Quand vous prenez par exemple des régions comme Agadez ou Difa, il y a la surprotection. Les familles euh, ne veulent vraiment pas euh, laisser les enfants, en fait, savoir même qu'il y a des enfants handicapés qui existent au sein de la famille. Donc on les surprotège en fait. Mm. Et dans des régions comme Tawa, Zender et autres là, le problème d'identification est un problème énorme. Pourquoi Parce que en fait, il y a de l'exploitation des enfants. Le plus souvent, on les envoie au marché pour chercher de l'argent. Euh, à travers la tous les deux paramètres doivent être combattus, bien sûr. Mm. La protection n'est pas une, bonne chose pour les personnes handicapées. Mm. L'exploitation à travers la mendicité est également très très condamnable. Et vous avez des, comment dirais-je, en tout cas les, deux pôles au Niger mm. qui freinent en fait euh, l'identification. Mais vous avez posé une question, est-ce qu'il y a un dispositif qui permet aux parents de venir vers les écoles. Mm-hmm. D'abord, il y a euh, toutes ces campagnes de sensibilisation que nous menons assez souvent, mm-hmm. mais la fédération vient d'éditer euh, un guide, euh, un guide pratique sur la mise en œuvre euh, sur les droits des personnes handicapées, mm. où il y a l'adresse euh, des les, différentes adresses, en tout cas des personnes à contacter, mm. selon les types de handicap pour accéder à, l'éducation. Mm. Ces guides sont en train d'être euh, distribués. C'est un dispositif qui permet effectivement aux, parents des enfants de venir vers les écoles. Mais maintenant, il faut dire, alhamdulillah, depuis un certain temps, vraiment, les parents commencent à comprendre et commencent réellement à envoyer les, les, les enfants vers les, les écoles. Euh, si vous voyez en tout cas avancer, il y en a eu, euh, même par rapport au succès que, que connaissent euh, les, les, les, personnes handicapées dans les écoles. Par exemple, pour les personnes sourdes, on vient d'accueillir euh, le premier bachelier. Cette année Cette année, depuis qu'on a commencé. Ce qui est vraiment un grand retard, mais qui peut être aussi à saluer parce que c'est une première. Oui, c'est une première. Et surtout qu'il est admis à l'écrit. Euh, au bac D. Mhm. Euh, c'est pas n'importe quel bac quand même. Et aussi que bon pour les, les personnes euh, non voyantes, on voit que maintenant dans les dans les administrations et autres, on les rencontre faire beaucoup de en fait divers métiers. Mhm. Et on voit aussi pour les personnes avec handicap physique occuper beaucoup des, des, postes de responsabilité même au niveau de, de l'administration. Et donc, on peut dire qu'il y a des avancées. Mais par contre, il y a énormément de défis, énormément de défis. Nous allons, effectivement <laughs> évoquer ces, défis. Et alors, Mamadou Omarou, coordinateur de l'ONG Mournayara, on a vu avec les autres, en tout cas, les avancées significatives qu'on peut saluer aujourd'hui euh, dans ce domaine de l'éducation inclusive, de l'éducation, euh, de l'intégration. Qu'est-ce qui mérite vraiment d'être salué Mais je voudrais aussi souligner le fait que le ministère euh, de l'enseignement primaire a mis des points focaux dans toutes les directions régional. Cela va amener un grand changement. C'est des points focaux de l'éducation inclusive. Et ces points focaux-là sont en train de travailler sur le terrain avec, euh, avec l'ensemble des acteurs de l'éducation et même à mettre en place une base de données et pour que, euh, à la longue, la question des, des, des, statistiques de collecte des données euh, soit résolue. Mm. Et du fait que le ministère de l'enseignement primaire et l'ensemble des acteurs, tels que les autres ministères qu'il est, mm. le, le, ministère des enseignements secondaires, le ministère de la formation professionnelle et la Fédération nigérienne des personnes handicapées, mm. et les partenaires qui sont là comme HI, et nous avons constaté que il y a un problème de transition et on a mis en place un continuum scolaire. Et ce continuum scolaire-là aussi est à s'allier. Parce que le continuum scolaire va permettre à ce que, en tout cas, s'il est mis en œuvre tel que ça a été élaboré, ça va résoudre un certain nombre de problèmes tels que le fait qu'aujourd'hui, quand l'enfant il quitte le primaire, il arrive au secondaire, il n'a plus la possibilité, de, poursuivre, ses études comme il le faut parce que certaines certaines choses manquent, certaines choses le dispositif qui a été mis en place au niveau eh, de l'enseignement primaire n'existe pas au niveau du secondaire, ça n'existe pas au niveau de la formation professionnelle. Donc le continuum va permettre à ce que au niveau du secondaire qu'on ait ces dispositifs là. Ce dispositif là c'est quoi C'est d'abord qu'il y ait un truc institutionnel, c'est-à-dire une division ou une direction qui prend en charge l'éducation des enfants handicapés. Et même au niveau de la formation professionnelle, avoir ce dispositif-là. Donc si on a ce dispositif-là, c'est ce dispositif-là qui va fournir les mêmes efforts que eh, la division de l'éducation spécialisée a fourni pour former les enseignants, pour mettre en place euh, les modules. Et c'est cette même direction ou cette même division qui va faire ces efforts de former les professeurs. Mmh il faut qu'il y ait des professeurs. Ce n'est pas les enseignants du primaire qui vont aller dans les écoles pour euh, suivre, pour accompagner euh, les enfants handicapés, et particulièrement les non-voyants et les, sourds. Mm. il faut qu'au niveau du secondaire, qu'il y ait la relève. Et je crois que le continuum euh, va nous permettre de résoudre ce problème. Est-ce qu'il y a une date de, lancement ou de, début de ce continuum où ce continuum est espéré ce continuum a été déjà élaboré et validé et il est en train d'être vulgarisé. Et la dernière fois, le, ministère de l'enseignement primaire euh, et les, partenaires que je viens de citer là ont effectué une mission à l'intérieur du pays, notamment sur trois axes. ils ont été à Maradi, Zender, le premier axe, et le deuxième axe c'était euh, euh, Tawa, Agadez. Euh, et puis euh, le troisième axe, c'était euh, Niamey et Tilabiri Et après cette phase, c'est la mise en œuvre ou la recherche des ressources C'est les deux à la fois. Bien. Alors, euh, nous abordons les difficultés. vous avez commencé tout à l'heure à évoquer un certain qu'il y a des avancées, mais aussi beaucoup de difficultés. C'est Donou président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Quels sont aujourd'hui les principaux obstacles auxquels euh, les enfants en situation de handicap font face. Ok, donc depuis que nous avons commencé, vous avez entendu, on a parlé des personnes euh, handicapées auditives, personnes handicapées visuelles, mm-hmm. mais il y a beaucoup de, groupes de personnes handicapées qui n'ont pas été évoqués ici. Mm-hmm. Par exemple, les enfants avec handicap intellectuel. Mm-hmm. Pour ces enfants, le système éducatif n'est pas encore préparé du tout il n'y a pas de formateurs pour eux, ça veut dire pas d'enseignants qui sont formés pour euh, la prise en charge de ces, personnes. Mm. Ce qui fait que quand vous regardez les statistiques, vous allez voir qu'à l'école primaire, il y a euh, un certain nombre d'enfants, d'enfants handicapés intellectuels qui accèdent à l'éducation, mais qui ne dépassent jamais le niveau primaire. C'est-à-dire quand vous regardez déjà au niveau du secondaire, mm. il y a zéro mm. enfant handicapé intellectuel. Et il n'y a pas aussi une structure publique qui prend en charge Il n'y a pas il n'y a pas de tout. Il y a euh, les Pélicans qui est privé, qui aussi n'est pas en fait euh, une structure qui offre euh, la scolarisation. C'est vraiment un centre de socialisation. Mm. Donc au Niger, on peut dire que pour les enfants avec handicap intellectuel, le système éducatif est complètement euh, à reformer. Et le, handicap intellectuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus pour que tout le monde. Est-ce qu'il y a un nom un langue, peut-être une langue nationale, qui permet aux gens de comprendre Difficile parce que c'est un groupe aussi euh, qui n'est pas euh, homogène. Mm. pour les enfants avec handicap intellectuel, vous avez par exemple les IMC, mm. les, enfants qui, ont les infirmités motrices cérébrales, mm. qui ont en fait des problèmes même pour s'asseoir ou pour euh, marcher marché mm. euh, euh, ils s'expriment difficilement à mm. travers la parole mm. parce qu'ils ont une paralysie cérébrale. Et cette paralysie donne euh, des problèmes euh, moteurs et mm. parfois des problèmes intellectuels. Mm. Et vous avez aussi euh, les enfants qu'on appelle les trisomies 21, mm. qui, en fait, au, niveau de, du gène, ça veut dire au niveau de, ça veut dire de la conception même de l'enfant, ils se retrouvent avec beaucoup plus de, chromosomes. Et, ces chromosomes donnent un conflit qui, euh, permet, en fait, qui, qui, pose des problèmes de compréhension et de, de, réaction au mm. niveau de, des enfants. Pour les enfants avec handicap auditif également, c'est beaucoup de problèmes. Par exemple, euh, on a parlé de ce continuum scolaire-là, mm. et mon camarade a dit que nous espérons vraiment que ça fonctionne. Ça, c'est notre espoir. Mm. Mais en fait, au-delà de, du continuum, qui est un document tout comme les textes que nous avons évoqués, la Convention et, la Constitution et beaucoup d'autres instruments juridiques. C'est un document qui est écrit. Mm. Mais au-delà du document, c'est quoi Quelles sont les ressources que le ministère de l'enseignement secondaire va mettre derrière Parce que si au niveau de l'enseignement primaire, on a connu beaucoup des avancées, c'est parce que ce ministère a mis dans les cinq dernières années, à peu près un milliard de francs CFA pour l'achat des matériels. Mais aujourd'hui, au niveau du secondaire, on travaille même avec le matériel qui est acheté au niveau de l'école de, l'enseignement primaire. Mm. Donc, est-ce que le ministère est euh, prêt à mettre les moyens pour acheter le matériel nécessaire Est-ce qu'on euh, est prêt aussi à former les gens, les personnes, les ressources humaines, les, ressources humaines. Mais même pour les enfants avec handicap auditif, Imaginez qu'on a commencé à, faire l'éducation pour les personnes sourdes et malentendantes depuis 1980. Et ce n'est que cette année qu'on a pu avoir les premiers bacheliers. C'est pas parce que les enfants là ne, sont mmh, pas intelligents, mmh. mais parce que les ressources ne sont pas qualifiées pour les enseigner. Mmh. Dès l'école primaire, le problème existe. Parce qu'on dit qu'à l'école primaire, c'est bon, mais à l'école primaire, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Mm. Comme disent, euh, <laughs> <laughs> les, oui. il y a beaucoup de problèmes. Mm. Les, les, interprètes à langue de signes, ceux qui, qui, qui, apprennent, qui parlent avec euh, les personnes sourdes dans leur langue, mm. parce que c'est une langue, ils ne sont pas qualifiés. Au Niger, on n'a aucun interprète. On a zéro. On n'a pas un professionnel, hmm. ça veut dire capable en langue des signes. Hmm. Oh, vous posez la question même aux enseignants de l'école primaire des, enfants sourds, on dit ah ils ont leur dictée à part, mais en fait c'est faux. Ils n'ont pas de dictée à part, ils n'ont pas de, ils, ils, ils, font la dictée comme tout le monde. Mais hmm. le problème c'est que les ressources ne sont pas qualifiées. Il n'y a pas un seul interprète professionnel en langue des signes au Niger qui est capable d'accompagner les personnes sourdes. Ce qui fait que quand ils arrivent au secondaire, déjà que les professeurs ne sont pas préparés pour les recevoir dans les classes, mm. ne savent pas parler la langue des signes, ils ne s'intéressent même pas à ce que, aux, enfants. Et pour ce qui est des personnes malvoyantes ou non-voyantes Oui, il y a, pour, pour elles au moins, ça va dans, dans, dans l'ensemble, on peut dire. Généralement, nous, quand on fait les plaidoyers, parce que c'est ça aussi notre rôle à la Fédération des jeunes des personnes handicapées, on met l'accent là où ça ne va pas du tout. Et là où ça ne va pas du tout aujourd'hui dans le système éducatif nigérien, mm. c'est essentiellement par rapport aux enfants avec handicap intellectuel et euh, auditif. Euh, il n'y a pas de problème de ressources humaines pour l'apprentissage du braille Du braille, non honnêtement du braille, non. Il y a aujourd'hui vraiment des ressources qualifiées euh, pour en tout cas apprendre aux, enfants avec euh, le, braille. Mais on continue aussi à recruter. Et il faut dire que ce qui est à saluer, mm. c'est que euh, peut-être on a oublié de noter ça, mm. c'est que le gouvernement nigérien a recruté beaucoup des enseignants handicapés. C'est une disposition même de l'article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ces enseignants ont contribué à faire évoluer l'éducation pour les enfants aveugles. Ah, Mais vraiment pour les enfants avec handicap auditif et, intellectuel, il y a beaucoup de, efforts à, fournir. Madame, euh, Madame Mariama, rapidement, vous voulez réagir Oui, je voulais réagir par rapport de temps. Oui, par rapport à l'éducation des enfants déficients intellectuels. Donc, euh, je vous informe qu'avec avec euh, notre partenaire Humanité et Inclusion, nous sommes en train de réfléchir pour organiser un atelier national qui va réunir tous les acteurs de l'éducation pour voir dans quelle mesure nous allons eh, commencer à résoudre ce problème de scolarisation des enfants en déficience intellectuelle. Bien. Mahamadou Morou, euh, pour finir, quelles sont les actions prioritaires à envisager pour en tout cas réussir à accomplir le droit à l'éducation pour les enfants en situation de handicap Bon, moi je pense que Actuellement, le PSEF est en révision. Je lance un appel pour que le gouvernement nigérien, ou euh, particulièrement les différents ministères en charge de l'éducation, qu'ils fassent en sorte que ce psef là soit inclusif. Et le premier PSEF qui a été élaboré, on a prévu quelques actions pour les personnes handicapées et pour l'éducation des enfants handicapés, mais le plan d'action n'a pas suivi. Le PSEF, c'est quoi C'est le, le, programme sectoriel de l'éducation et de la formation. Mmh. Donc si les besoins des enfants handicapés sont pris en compte dans ce PSF-là et qu'il et est financé, je pense qu'on va trouver eh, une première solution. Parce que tout ce, tout, tout ce qui n'a pas été programmé, même si on parle, c'est zéro. Mm. La première des choses, c'est la programmation. Mm. Il faut que ça soit programmé. Mm. S'il y a quelqu'un qui voudrait euh, ajouter quelque chose sur les mesures prioritaires aujourd'hui que les les autres, pour oui. Euh, moi, l'une des mesures prioritaires, c'est immédiatement la mise en formation de au moins 24 interprètes professionnels à langue de signes pour que chaque région puisse avoir au moins un certain nombre d'interprètes professionnels qui peuvent aider l'éducation des personnes sourdes et malentendantes. Mm. Et la formation de au moins 24 euh, personnels d'assistance pour les enfants avec handicap intellectuel. Parce qu'on ne peut pas attendre demain pour leur éducation. C'est un droit dont ils ont accès, comme tous les autres enfants du Niger. À mon avis, la, mise en formation des spécialistes, en tout cas dans le domaine, ne doit pas euh, euh attendre. Pour les mesures prioritaires également, il y a, comme il l'a dit, le PSF est en révision. Et aujourd'hui, nous, à Fédération nigérienne des personnes handicapées, on n'est pas impliqué mm. dans la révision du, du, du PSF. Alors que nous, on dit, rien pour nous sans nous. Mm. Si tu veux élaborer une politique qui nous concerne et que tu ne nous impliques pas, ça veut dire que euh, pour nous, cette politique n'est pas inclusive. Mm. Elle n'est pas inclusive parce que c'est nous seuls, on sait où ça fait mal. Mm. Et c'est nous, on peut dire où ça fait mal. Donc aujourd'hui, de la manière où nous avons été impliqués dans la révision de la Lausanne, parce que la Lausanne est en révision aussi. Mm. Et ça, nous avons fait un plaidoyer que euh, l'ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nous a écouté et nous a permis de participer à la révision de la Lausanne. Mm. Nous faisons ce même plaidoyer en direction du gouvernement. Toutes les politiques qu'on doit réviser et qui concernent les citoyens du Niger, puisqu'il y a 4,2% euh, de la population nigérienne qui est en situation de handicap ce n'est pas quand même un poids à négliger. 715 497 personnes, nous pensons que euh, la révision de toutes les politiques qui concernent le développement, nous devons être impliqués pour que nous puissions dire exactement qu'est-ce qu'il faut pour nous. Dans l'ancien, euh, PSF, on a, on a dit beaucoup, on a programmé beaucoup des actions, mais on a parlé surtout du handicap physique, du handicap auditif mm. et du handicap visuel. Euh, mais les autres n'ont pas été pris en compte. Merci. Euh, c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui sur le thème avancé obstacle au droit à l'éducation des enfants handicapés. Nous avons vu ensemble que différents acteurs sont impliqués dans la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. L'État du Niger aussi déploie des efforts pour honorer ses différents engagements concernant la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, notamment le droit à l'éducation. Cependant, d'énormes défis restent à relever, notamment garantir la continuité du cycle scolaire pour les enfants handicapés scolarisés à travers des ressources humaines qualifiées et du matériel adapté. L'autre défi, c'est celui de la scolarisation effective des enfants déficients intellectuels qui sont aujourd'hui en manque d'écoles qualifiées pour leur éducation. Nous étions en compagnie de Mohamed Oumarou, coordinateur de l'ONG Mournayara, Sido Nuhu Oumarou, président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, et Madame Abdoulaye Mariama, responsable de la division éducation inclusive à la direction de l'enseignement du cycle primaire classique. Présentation à Alassane Kouzima Amadou, volet technique assuré par Abdulkader Chambiano.